Depuis plus de 10 jours maintenant, il n'y a pas de l'eau. Rarement les gens ont de l'eau à boire. Les robinets sont secs. On a demandé quelles étaient les raisons pour lesquelles c'est arrivé. Ils ont dit que la Seine n'a pas amené de travailleurs pour surveiller la station de pompage d'eau. Un seul travailleur qu'ils ont pris d'Agadez pour faire la surveillance de la station. Ce travailleur-là, quand il est là-bas dans la journée, la nuit, il a peur parce que c'est à 30 km d'Arlit. Donc, il n'y a pas de sécurité. Il ne peut pas rester là-bas. Voilà les problèmes qui se posent. Oui, tout est terminé. Le problème du château, c'est qu'il n'est pas alimenté. Voilà le problème. Les gens sont dans de très grandes difficultés parce qu'il n'y a pas de l'eau. Le château est complètement vide. Maintenant, la scène devait s'engager pour donner les moyens pour aller surveiller la station. Il n'appartient pas au maire, à mon avis, de surveiller une station de pompage qui appartient à la Seine. Il appartient à la scène de prendre ses responsabilités.